La gazelle est comme une chèvre chez nous, la dax notre vache, le fennec notre chat, le mouflon nos moutons. Donc c'est comme si c'est notre trésor qui a été détruit. Ça nous a vraiment fait mal. Vous avez vu, même maintenant, c'est la population elle-même qui a attrapé les braconniers parce que cela les a beaucoup blessés. Ces gens-là qui ont attrapé les braconniers, ils ont leurs enfants en internat ici. Grâce aux gazelles, leurs enfants ont été amenés à l'école et voilà que quelqu'un tue ces gazelles.